aux commerçants de Colobane et l'obligation d'apporter des mesures d'accompagnement à Lance Bernard. Il s'est agi euh, de dénoncer des morcellements irréguliers que l'État ne compte pas laisser prospérer. Distribution de semences d'arachide. et réceptionne son quota plutôt que prévu, 1490 tonnes. Dans le sud également, les producteurs de maïs de la région de Kolda ont reçu leurs intrants, 65 tonnes de semences certifiées et d'autres dispositions prises pour assurer une bonne campagne agricole 2024-2025. Il fait chaud, les températures s'affolent 35 degrés et même plus dans certaines localités du pays. Les spécialistes alertent et mettent en garde les personnes âgées pour éviter la déshydratation et autres risques sanitaires en cette période de canicule. À suivre les conseils pratiques des spécialistes dans la rubrique santé de ce dimanche. Élections législatives en France, selon les premières estimations, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour avec 34% des voix, très loin devant le parti présidentiel qui obtient plus de 20% des suffrages, 5% des voix, selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue à tous. D'abord, ce tweet du chef de l'État, je cite, C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de son Altesse royale, la princesse Lala Latifa du Royaume du Maroc, au nom du peuple sénégalais. À mon nom personnel, j'adresse à Sa Majesté le roi Mohamed VI, à la famille royale et au peuple marocain frère nos condoléances émues Puisse Allah, le miséricordieux, accueillir l'illustre défunte en son paradis. Fin de citation. L'annulation du débat d'orientation budgétaire n'est pas du ressort du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la conviction de Doudouade qui précise que l'initiative appartient à la conférence des présidents. L'ancien parlementaire libéral a par ailleurs dénoncé la posture du Premier ministre qui menace de faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Doudouade était l'invité de l'émission Point de vue de ce dimanche. On l'écoute que je n'approuve pas la décision du bureau d'annuler le débat d'orientation budgétaire. Hmm. Pourquoi Parce que je ne crois pas qu'il soit de son ressort. Hmm. La conférence du président est chargée d'établir le calendrier des séances de l'Assemblée nationale. Elle a arrêté une date. Elle appartenait à la conférence du président en fonction de la situation de voir comment faut-il faire pour allumer ou déprogrammer le débat d'orientation budgétaire. Hmm. C'est une obligation de faire ce débat. Et, que pensez-vous des arguments maintenant qui ont été, qui ont été donnés euh, La sortie du Premier ministre notamment Moi, écoute, c'est une, écoutez, ça a été catastrophique. Hmm. Je vous dis, le Premier ministre n'a pas le droit, même s'il n'a jamais été parlementaire, il a été. il a été, heureusement C'est pourquoi je vais insister, s'il n'a pas été, mhm. de s'adresser comme ça à la représentation nationale qui, qui, qui, qui tire toute sa substance d'organisation, sa substance d'être mhm. par la Constitution et confiée par le peuple souverain. Le peuple détient la souveraineté nationale qui est exercée par ses représentants qui sont députés. On n'a pas le droit, mhm. quand on aspire à diriger ce pays, quand un homme d'État à qui est confié une parcelle de responsabilité étatique, de s'adresser comme ça à l'Assemblée nationale mhm. et à ses députés. À l'étranger, en Mauritanie, à l'issue du scrutin de ce samedi, 80% des bulletins ont été déjà dépouillés. Le président sortant, Mohamed Ghazouani, obtient 55% des voix selon euh, les premiers résultats livrés par la Commission électorale nationale indépendante. Le récit de Sédina Lunfala. L'Assemblée nationale, Amadi Sidi El Mortar, se classe pour l'instant troisième avec quelques 13% des suffrages. Il a déclaré rester attentif à tout manquement et a appelé ses compatriotes à s'éloigner de tout ce qui peut créer le désordre et perturber la tranquillité des gens. La CENI a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires. Mohamed Azouani a déclaré que seule la CENI est en droit de publier les résultats. Le taux de participation se situe autour de 55% selon la CINI législative en France. Selon les premières estimations, le parti d'extrême droite arrive en tête du premier tour. Le Rassemblement national a obtenu 34% des voix. Le parti d'extrême droite est suivi du nouveau Front populaire qui a obtenu 28,5% et du parti présidentiel Ensemble qui a obtenu 20,5%. Le taux de participation pour ce premier tour est en forte hausse par rapport aux dernières législatives de 2022. Nous retrouvons Seydina Le 4,5% des suffrages, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le nouveau Front populaire, réunissant la gauche qui obtient 29%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 21% lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse. Les républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%. Les premières projections en siège pour la future Assemblée nationale envisagent pour le RN et ses alliés une forte majorité relative, voire une majorité absolue, à l'issue du deuxième tour dimanche prochain. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après sept ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et antirépublicaine, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. A toutefois prévenu qu'il n'accepterait le poste de Premier ministre que si son parti détient la majorité absolue. Je vous l'annonce également au début du journal. Le Premier ministre Osman Sonko a effectué ce dimanche une descente à Colobane et à Lance bernard Colobane fait face à des opérations de déguerpissement ces derniers jours. Le Premier ministre a apporté sa compassion et insiste sur des mesures d'accompagnement. Il a délivré son message devant des commerçants tout heureux de le rencontrer. Nous y reviendrons. Et puis après Koloban, le Premier ministre s'est rendu à la place de Lance Bernard euh, Sutier euh, sur le littoral sud de Dakar. La plage fait l'objet de morcellement que le Premier ministre euh, juge irrégulier et rappelle la mesure de suspension des constructions et morcellement du littoral. L'État ne compte pas laisser en partage du foncier du littoral. Nous y reviendrons également avec le Premier ministre Ousmane Sonko tout à fait autre chose, la NSC a procédé à la restitution des résultats de l'enquête démographique et de santé continue. C'est pour évaluer justement les différents aspects de la santé et de la démographie. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie offre ainsi aux décideurs la possibilité de créer un flux continu de données euh, qui euh, donc serait à même de répondre à plusieurs sollicitations. Louis les résultats de l'enquête démographique fournissent de nouvelles données représentatives sur les populations dans des domaines divers de la santé des ménages. La collecte des données s'est faite au niveau des 14 régions du Sénégal. Des résidences urbaines et rurales étaient des principales cibles. Des améliorations sont constatées, notamment au niveau de la santé, de la reproduction, de la planification familiale, entre autres le souhait des partenaires techniques et financiers est que les informations contenues dans ce rapport comblent les attentes des acteurs des secteurs de la santé et de la démographie pour des prises de décisions pertinentes visant à renforcer les actions déjà entreprises. Avec les données de cette enquête démographique continue de 2023, le Sénégal renforce, enrichit et actualise ses bases de données socio-économiques après une période de deux années de pause suite à la pandémie de la COVID-19. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, à travers l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, s'est engagé pour la pérennisation de l'enquête continue. Pour rappel, l'objectif de ce programme est d'offrir la possibilité de créer un flux continu de données qui serait à même de répondre à la demande d'informations nécessaires au suivi régulier des indicateurs et d'impact résultant des initiatives nationales les résultats obtenus et publiés sont promoteurs. Les progrès enregistrés reflètent les efforts fournis par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires techniques au développement. Le ministère de la Santé, principal utilisateur des résultats de cette enquête, devra s'approprier ces données et s'impliquer davantage dans toutes les étapes des prochaines enquêtes. Dans l'actualité du climat, la chaleur commence à se faire ressentir. Par exemple, à l'intérieur du pays, les températures dépassent les 35 degrés dans certaines localités, ce qui n'est pas sans conséquence sur les personnes âgées, déshydratation, coup de chaleur, fatigue et épuisement, entre autres risques sanitaires. Pour cette couche vulnérable, on en parle tout de suite dans la rubrique santé avec Fantabachi. Leur sensibilité est mise à rude épreuve en cas de variation climatique. Les personnes âgées, les fortes et basses températures ont des effets néfastes sur leur santé, mais c'est surtout en période de canicule que le risque est réel. Avec le vieillissement, il y a le vieillissement de, la thermorégulation. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la sensibilité à la chaleur, il y a une diminution euh, des glandes sudoripares qui produisent euh, euh, la sueur. Et donc, il y a aussi une prédisposition à la déshydratation du fait un peu euh, de la baisse de l'hormone antidiurétique hormone. Ce qu'il faut craindre, c'est le coup de chaleur. Le coup de chaleur. Mais le reste, ce sont plutôt les complications de la déshydratation. Les complications de la déshydratation. Chez les malades qui n'ont pas de pathologie en général, c'est des, des, des, malades qui nous viennent parce qu'ils ont fait des chutes euh, avec une euh, perte de connaissance euh, brève avec chute, ou bien les décompensations des maladies chroniques. Donc, lorsqu'il y a une forte canicule, demandez aux personnes âgées de ne pas sortir aux heures chaudes de la journée. Les heures chaudes, c'est vers à partir de 13h, à partir de 11h, 13h. Donc si elles ont envie de se promener, qu'elles sortent assez tôt ou tard. Pour prévenir d'éventuelles menaces sanitaires chez cette couche vulnérable, les spécialistes recommandent de les hydrater régulièrement mais surtout une attention particulière aux personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs, qui ont des troubles c'est-à-dire qui ont des problèmes de mémoire. Parce que ces personnes-là ont soif, mais ne n'expriment pas, cette soif. Donc il ne faut pas attendre euh, d'elles qu'elles expriment cette soif. il faut aller leur donner à, boire régulièrement pour euh, leur permettre de, faire face un peu euh, à la thermorégulation. Mais surtout le maître mot, boire. Il faut s'hydrater, s'hydrater à euh, de l'eau en variant les plaisirs, de l'eau, du jus, et c'est extrêmement important. Donc la personne âgée, on remarque qu'il y a une baisse de la sensation de soif. La personne âgée ne sent pas la soif. Et quand on boit, on boit de l'eau à température normale, l'eau tiède, pas l'eau très fraîche, parce que quand elle est trop fraîche, oh, ça, on a très vite cette, sensation de, de, soif qui disparaît. Donc il faut boire à température normale pour pouvoir s'hydrater le long de la journée. Il faut donner à boire aux personnes âgées sans attendre la soif, régulièrement, régulièrement, au moins 1,5 litre dans la journée. Veiller davantage aux personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques. L'hypertension et le diabète ou les communautés liées au vieillissement, tels que les syndromes, les troubles neurocognitifs majeurs, euh, avec comme conséquence la prise de médicaments. Donc polymédication, tout ça euh, peut exposer le sujet âgé. Les gens ne pensent pas à, aller, retourner le médecin pour faire la mise à jour, la conciliation thérapeutique, parce qu'un diabétique euh, en période de chaleur doit retourner régulièrement voir son médecin pour qu'il équilibre s'il est sous insuline ou s'il est sous antidiabétique oraux. Un hypertendu qui est sous diurétique, c'est-à-dire des médicaments qui font uriner, doit aller régulièrement voir son malade, son médecin, parce que ça peut, être, ça peut déséquilibrer son cœur. Donc c'est extrêmement important de faire un suivi rapproché des personnes âgées qui vivent en période de chaleur. Elles sont très, très vulnérables. Aération et rafraîchissement des pièces est tout aussi indispensable. Ouvrir assez tôt euh, les, fenêtres quand il fait très frais le matin est tard. Mais euh, quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure, il faut fermer. Et il faut ventiler. Les ventilos sont extrêmement... Si on a un climatiseur, c'est mieux, mais euh, celui qui a les moyens doit pouvoir installer euh, chez ses parents de l'air conditionné. C'est vraiment l'idéal. En période de chaleur, les familles doivent veiller au bien-être des personnes âgées qui sont très sensibles aux températures extrêmes. Je vous le disais il y a un instant, le Premier ministre Osman Sonko a effectué ce dimanche une descente à kolobane et à Lance Bernard. kolobane a fait face à des opérations de désencombrement ces derniers jours. Le Premier ministre a apporté donc sa compassion et insiste sur des mesures d'accompagnement. Il a sur place délivré son message devant des commerçants tout heureux de le rencontrer. Nous l'écoutons au micro d'Aramdawa occupation anarchique état de responsabilité mairie responsabilité. Je voulais dire que l'occupation anarchique est une responsabilité partagée entre l'État, les municipalités et même les populations. C'est la raison pour laquelle nous devons trouver une solution globale. J'ai demandé tout à l'heure au préfet s'il y avait des mesures d'accompagnement. Il n'y en a pas et nous le déplorons. Nous déplorer Vous avez vu quand j'étais maire de Ziguinchor, j'ai lancé trois opérations de réfection des marchés et deux nouveaux marchés étaient à construire. C'est pour moi impéalable, avant de déguerpir le marché de Bukot, dont l'occupation est anarchique. C'est ce qui incombe aux municipalités et à l'État waye bo andiwul ben mesure d'accompagnement xëy rek ne damay dindi fi nit ñi loolu moy andi coow li nga xamne moy am motax nak ñu ne mbir mi il faut ñu ànd yermande waxu ñu nak ni dañuy def permission kenn ku ne def lu ko neex waye ñu suñ koy régler tam ñu ci ak yermande état bi dina proposer ay mesures d'accompagnement c'est pourquoi nous demandons aux autorités municipales plus de compassion. Il faut aussi nécessairement des mesures d'accompagnement et l'État jouera sa partition. Je suis aussi accompagné de Aidan délégué général de la DER. La DER va vous accompagner, vous financer pour préserver les emplois. C'est le message du président de la République que je vous apporte. Encore une fois, nous compatissons suite aux opérations de désencombrement.

ngeen toog waxtaan ak moom ñu xool ñu leen di jàppale aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu wax ni dinañ ko def ci ay place yu ngeen mën a toog liggéey ni mu gën a rafete di masawu riverain yi di masawu commerçant yi waaye di masawu mairie bi ak administration bi ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum Et après Coloban, le Premier ministre s'est rendu à la place de Lance Bernard, située sur le littoral sud de Dakar. La plage a fait l'objet de morcellement que le Premier ministre juge irrégulier. Nous y reviendrons également. Retour sur l'actualité du climat. À Giguinchor, la situation pluviométrique est à la normale à Déane comme à Giguinchor. Euh, plus de 100 mm sont déjà enregistrés euh, dans les postes de collecte. De fortes pluies sont attendues euh, dès le mois de juillet. L'annonce est faite par le service régional de la météo. Nous retrouvons sur place Michel Mendy. Niché dans la zone de l'aéroport de Giguinchor, c'est dans ce parc où les données météorologiques régionales sont collectées. C'est le parc, c'est le parc météo, où on a des, instruments qui nous permettent de faire des, mesures, des mesures horaires, éventuellement après de faire de rédiger les messages et envoyer. Quelques semaines après le début de l'hivernage, la région affiche une situation à la normale. Les premiers points ont été notés le 28 mai au niveau de, la région de Jigenshore, avec des cas de pluviométrie assez conséquentes. Et maintenant, par rapport à, comparé par rapport à la normale, les quantités pluviométriques que nous notons jusqu'à présent, c'est-à-dire du 28 mai jusqu'au 29 juin, à partir de la date d'aujourd'hui, nous notons une situation pluviométrique qui est, qui est normale. Pour l'heure, le département de Giganchor est le mieux arrogé de la région. Le cumul dans certains postes dépasse déjà les 100 mm. Le cumul pluviométrique le plus élevé au niveau de la région de Giganchor est noté à Adéane avec une quantité de 124 mm et euh, suivi de, la station météo de Giganshore, comme nous sommes, avec une quantité pluviométrique de 111,5 mm. Donc, vous voyez que déjà, on est à des quantités pluviométriques qui sont supérieures à 100 mm au niveau de, la région de Giganshore. Et même au niveau du département de, Bignona, comme au niveau du département de Seydou, nous notons des quantités pluviométriques assez conséquentes avec des, communes maximum qui tournent autour de, de 60-70 mm. Même si une petite pause de quelques jours est constatée, les prévisions annoncent le retour des pluies dès le début du mois de juillet. D'après les perspectives des mises à jour que nous avons reçues hier pour le bulletin de prévisions saisonnières, il est noté que euh, les cumuls, les cumuls euh, de juillet, ou septembre seront normal accidentaires. Alors dès lors qu'on sera dans le normal accidentaire par rapport euh, à la climatologie de la pluviométrie, il faut juste s'attendre à un retour immédiat des de, cartes pluviométriques, surtout au niveau des Géguinchor. Mais il faut juste s'attendre qu'au niveau de la, première décade du mois de juillet, il faut s'attendre déjà à des, à des cartes pluviométriques. Selon la météo, de fortes pluies sont attendues avec des phénomènes extrêmes. Lors de la dernière saison, la région a enregistré 1600 mm, un cumul qui pourrait bien être dépassé cette année toujours dans le sud, les producteurs de maïs de Kolda ont reçu des intrants, 65 tonnes de semences certifiées, plus de 800 tonnes d'engrais distribués par le programme Agropole Sud. L'objectif est d'emblaver plus de 3000 hectares. Le lancement a eu lieu dans la commune de Kerewan, dans la région de Kolda. On fait tout de suite le point avec Abdoulaye Sinkare. Dans la commune de Kerewan, dans la région de Kolda, Binta Diop fait partie des bénéficiaires des intrants de l'Agropole Sud. Elle compte cette année augmenter ses emblavures. L'année dernière, mon groupement a fait 15 hectares. Nous voulons cette année aller jusqu'à 20 hectares. Nous sommes concentrés sur l'agriculture et l'agropole nous accompagne. El Haj Ibrahim Diop est à la tête d'un regroupement de GIE de producteurs. Avec ses camarades, il a un objectif de 1500 hectares. Pour cultiver, nous avons besoin de semences, d'engrais, etc. Maintenant, s'il y a quelqu'un pour nous accompagner, c'est tant mieux. Tous les intrants sont là, nous allons démarrer tranquillement la campagne remercions beaucoup l'agropole. En plus des semences, l'agropole sud accompagne les producteurs dans la formation et l'encadrement. l'agropole nous accompagne en mettant à notre disposition des animateurs qui sont tout le temps avec nous. Ils nous montrent comment faire les semis, comment épander l'engrais entre autres aussi épandre produit plus de 80 du maïs en Casamance. L'objectif est d'augmenter encore plus ses productions. Nous avons un objectif en tout cas de mettre en place 12 euh, hectares de pré-base, mais aussi de faire 3200 hectares de, de, base, mais aussi la production aussi de 402 hectares en tout cas de culture pour euh, euh, la production marchande. Sur les plus de 3000 hectares de maïs prévus cette saison, le tiers va se faire dans cette zone, ce qui permettra à l'agropole d'être en avant sur son objectif global. Pour quand même euh, un objectif de 3125 hectares de maïs pour cette campagne prochaine, campagne 2024, qui nous permettrait d'être à 93% de l'objectif du projet. Je rappelle que le projet a un objectif d'accompagner 5000 hectares de semences certifiées. Aujourd'hui, on est environ à 1400. Avec ces 3100, on sera à 93% par rapport à cette filière. Donc ces intrants sont subventionnés à raison de 70% par hectare, ce qui revient aux organisations de produits en termes de contribution. 60 000 francs par hectare. La mise en place des intrants permet à l'agropole de développer un levier important de sa mission. Souvent, quand on parle d'agropole, les gens, ce qui les attire souvent, c'est les infrastructures. Donc, agropole, ces deux leviers. C'est un levier construction pour permettre à ce que des entreprises se mettent en place. Mais au-delà de ces zones de transformation qui vont être développées, il faudrait l'organisation, l'avancement de capacité des acteurs des filières pour pouvoir relever le défi de la disponibilité de la matière première. Qui parle de transformation parle de matière première. Le projet Agropole Sud est une initiative du gouvernement du Sénégal qui vise à apporter de la valeur ajoutée à nos produits agricoles par la transformation et créer des emplois durables chez les jeunes pour contribuer à la lutte contre la pauvreté en de masse naturelle en général et le milieu rural en particulier. L'Agropole Sud prévoit à terme la création de plus de 14 000 emplois directs et va impacter 350 000 personnes à travers 65 000 ménages le département du Tiwawan a également reçu son quota de semences d'arachide, 1490 tonnes au total. Les précisions de Fatima Tabanelba. Conformément aux directives des nouvelles autorités étatiques, l'administration territoriale en première ligne pour mener à bien la campagne agricole 2024-2025. Cette année, le département de Tuaon a reçu un quota de 1490 tonnes de semences, soit une augmentation de 49 Idem aussi pour les autres variétés. Nous avons également euh, noté euh, l'augmentation de la subvention pour les intrants. Le sac d'engrais qui coûtait l'année dernière 8 000 francs est aujourd'hui cédé à 6 500, soit une réduction de 1 500. Le kilogramme d'arachide coque qui était à a été 250 et maintenant 230. Pour le, deux également, on est parti de 500 à 450, soit une réduction de 50, de 50 francs. quota Tout le quota du département est quasiment disponible concernant les semences et l'engrais. Le seul appel que je lance aux opérateurs, c'est de tout faire pour acheminer les intrants à temps dans tout le pays, conformément aux directives. Moi, je les normes de qualité des semences sont également bien appréciées par les producteurs de Tiwawon. on a procédé au pesage et également à la vérification même de la qualité du produit. Et nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de déclarer que les, semences ont respecté les normes aussi bien pour la qualité que pour euh, la quantité. Au-delà de la réception des semences, le préfet du département a lancé les opérations de cession à travers des commissions de ciblage communautaire et l'implication des acteurs à la base. Une avancée majeure est notée durant cette campagne agricole à travers la dimension genre, avec 20% des semences allouées aux femmes. Et je crois que nous, à Thion, nous pouvons même dire que nous sommes allés même au-delà de ce pourcentage-là. Pourquoi Parce que déjà, au niveau du ciblage des quartiers, nous avons demandé à ce que les listes comprennent au moins 20% de femmes ce qui nous permet déjà de, respecter ce pourcentage-là. Il va, il va ajouter maintenant euh, donc, les groupes vulnérables pour les personnes vivant avec les handicaps, mais aussi les, quotas pour les jeunes. Et dans ces catégories-là aussi, vous allez trouver encore des femmes. Vous voyez que donc nous allons dépasser même ce quota de, 20%. Et mieux, nous avons même travaillé en amont à ce que euh, il ne s'agit pas simplement d'allouer des semences aux femmes, mais de les aider aussi à accéder à la terre. Je me réjouis d'avoir reçu mon stock d'engrais et de semences, en plus très tôt, contrairement à l'année dernière. À cette période de l'année, nous courions toujours derrière les intrants. Donc, c'est avec une grande satisfaction que j'ai reçu mes intrants. Je remercie également les autorités pour avoir impliqué les femmes dans le processus de distribution. Euh, pour les femmes, nous sommes passés de de, 50 à 125. Ça nous donne une grande satisfaction en tant que femme. Le département de Tiwawon est une des zones agricoles par excellence de la région de Thiès. Ainsi, les autorités administratives comptent bien faire le suivi de la distribution et assurent qu'elles seront intransigeantes sur la traçabilité des graines. Les agriculteurs apprécient les moyens mis en place pour booster les productions agricoles afin de répondre aux défis de souveraineté alimentaire. Et puis cette question, comment valoriser le secteur de l'artisanat Les acteurs engagent la réflexion. Une journée de reconnaissance est organisée par la plateforme des leaders de l'artisanat. Une occasion pour ces travailleurs d'échanger sur les grands défis du secteur de l'artisanat. Salut Le secteur de l'artisanat passé au peigne fin par les acteurs. Ces difficultés, mais aussi des propositions de sa valorisation, sont formulées pour une meilleure prise en compte des artisans dans les politiques sectorielles. L'artisanat joue un rôle de régulateur de premier plan dans le processus économique du pays, d'où l'importance nous avons choisi comme thème promouvoir le secteur de l'artisanat en vue de permettre sa prise en compte dans les politiques sectorielles du pays. L'artisanat joue un rôle de régulateur. On ne peut pas gouverner ce pays sans pour autant impliquer le secteur de l'artisanat. L'installation des unités industrielles dans les régions est considéré comme un levier capital pour booster le secteur. Nous souhaitons aussi que l'État fasse euh, des propositions ou bien des projets dans chaque département, créer des centres de formation technique, professionnelle, c'est-à-dire décentralisés dans les communes et dans les départements, créer des unités de formation qui nous permettra vraiment de pouvoir euh, avoir une capacité de production pour promouvoir le secteur de l'artisanat. Cette journée de réflexion est mise à profit pour rendre hommage à des acteurs qui ont œuvré pour la bonne marche du secteur de l'artisanat. À suite de notre reportage sur l'Assemblée nationale après les travaux de modernisation de l'hémicycle, nous vous présentons ce soir l'auteur de cette nouvelle décoration, Tidiane Wan, un émigré de retour au Sénégal, mais à la disposition de son pays, son expertise dans le domaine de l'informatique et de l'architecture. Tidiane Wan est la tête d'une entreprise OneCom avec une équipe d'une trentaine d'ouvriers sénégalais à Bumbaï à rencontré justement à l'Assemblée nationale. Voici son portrait. Derrière ce relooking et cette cure de jouvence de l'hémicycle se cache un homme, une tête bien faite et totalement happée par des cheveux poivre-sel. Il préfère enlever ses chaussures et marcher avec des chaussettes sur le tapis rouge nouvellement installé à l'Assemblée nationale. Il vénère son projet une expertise locale tant du point de vue matériel qu'humain. Un défi à surmonter. En fait, c'est un, challenge. C'est un challenge pour nous, pour l'entreprise OneCom. Euh, le souci, c'est que l'Assemblée nationale nous a posé deux gros challenges qui étaient un, d'augmenter la capacité d'accueil de l'Assemblée nationale pour autant bouger les murs et aussi rendre beau l'hémicycle qui est notre euh, honneur, comme vous l'avez dit, et que notre fierté. Tout ce que vous voyez ici a été réalisé par euh, nos équipes ici en local, euh, que ce soit les chaises, le mobilier, la boiserie, tout a été réalisé ici. Et c'était cet aspect de Sénégalais qu'on cherchait. On a refusé au maximum d'importer parce qu'on se dit que c'est le symbole du Sénégal, c'est le symbole de notre, de notre pays. Il faut que ça soit réalisé ici, il faut que ça soit réalisé par les Sénégalais et que chacun, dès qu'il voit l'image de l'Assemblée nationale, qu'il puisse dire Ah, moi j'ai posé ce bout de bois-là ou j'ai posé cette brique-là. C'était ça le challenge. Un challenge Relevé dans les délais par ce Sénégalais bontain à la tête d'une entreprise qui porte son nom de famille et signifie un en anglais, OneCom, un ingénieur qui a réussi sa reconversion et son retour au pays natal après avoir bourlingué un peu partout. Atidjan One, c'est juste euh, architecte intérieur, décorateur. On est une entreprise d'à peu près de 35 personnes y compris euh, miniserie métallique, miniserie bois, miniserie aluminium, électricien. Tidjanouan, euh, si j'en reviens à votre question, c'est juste un ancien ingénieur informatique, ingénieur télécom qui s'est recyclé en architecture, qui a préféré rentrer au Sénégal pour servir son pays. Et c'est surtout ça, c'est pour servir en France, aux États-Unis, euh, en Suisse. Je vadrouillais beaucoup en Europe. Au final, je me suis dit que voilà, le mieux c'est de rentrer l'idéal que j'ai opté et que ça m'a réussi et ça a réussi à beaucoup d'autres. Je parle beaucoup euh, aux personnes de la diaspora. Voilà, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer, il y a de quoi faire ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ici. N'hésitez pas, ne vous dites pas que le gouvernement, le X, Y, travaillez pour vous-même et on travaille pour notre pays. C'est ça l'essentiel. Ça, get back home et son expertise a franchi nos frontières jusque dans la cour du roi du Maroc. Ça arrive de faire quelques événements pour le roi du Maroc quand il est en déplacement en Afrique. Euh, c'est une fierté aussi, c'est une très très très grande fierté de, se faire appeler euh, par, les collaborateurs ou par les sujets du roi du Maroc pour nous, qui nous sollicite quand il est en déplacement en, Afrique, surtout au Sénégal, au Mali, au euh, Burkina, en Gambie, dans les autres pays de la sous-région. sous région on fait tout ce qui est cérémonie d'ouverture, ou cérémonie d'accueil pour, euh, pour l'OI et organiser toute cette partie-là. C'est une très grande fierté. Mais je ne sais pas comment vous savez tout ça, <laughs> je vous que mes investigations. <laughs> Il suffit juste d'interroger off the record certains de vos collaborateurs. Et puis retour euh, sur la descente du Premier ministre après Koloban. Osman Sonko s'est rendu à la place de Lance Bernard, située sur le littoral sud de Dakar. La plage fait l'objet de morcellement que le Premier ministre juge irrégulier et rappelle la mesure de suspension de construction et morcellement du littoral. L'État ne compte pas laisser en partage du foncier du littoral. Nous l'écoutons avec Aramdawa ndax bërëb bi ku ko gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor gi ndakaaru lii rek la ñu am mun a ñëw amaana ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal clim journée bi yëpp wala taal ventilateur bi journée bi yëpp. Nous poursuivons nos opérations de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Vous voyez comme la plage est belle, propre, mais on risque de tout perdre ici. Vous le voyez sur cette tablette. Tout a été morcelé

muy lu day waar ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la bokk domaine public maritime nag bul laal la tudd changement climatique et biodiversité en milieu scolaire, le ministre de l'Éducation Wallonie-Bruxelles et l'UNESCO magnifient les résultats du projet Biodiversity for School. Les 37 écoles et lycées bénéficiaires des activités du projet se sont réunis hier au lycée John Fitzgerald Kennedy pour une journée de capitalisation et de partage d'expériences. Le compte-rendu de Pape Collingham. Après cinq années de mise en œuvre dans les établissements scolaires de Dakar et de Bambay, le projet de biodiversité dans les écoles a été évalué hier par les acteurs de l'éducation en présence de leurs partenaires. On a énormément de, dysfonctionnements climatiques, beaucoup de choses, l'érosion, euh, euh, comment dirais-je, la rareté des eaux due à l'érosion, du réchauffement climatique, la disparition de certaines espèces. Il y a énormément de sujets sur lesquels nous sensibilisons les élèves. Cette journée d'une euh, importance capitale, euh, nous l'avons organisée juste pour faire un retour d'expérience, parce que comme nous intervenons dans plusieurs établissements, aujourd'hui, il est important de rassembler les différents établissements pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils euh, partagent leur expérience. Cette journée de capitalisation et d'échange d'expérience entre élèves et établissements a permis de mesurer l'impact du projet sur le comportement des élèves et leur savoir-faire, mais aussi sur les enseignements apprentissages. Euh, le projet Biodiversity for Peace est d'une grande importance parce que Premièrement, ça nous permet d'acquérir des connaissances, de mettre en pratique ce que l'on apprend en classe. Cette expérience a été très fructueuse pour nos élèves, car ça nous a permis d'entreprendre à bas âge et d'aimer vraiment l'agriculture pour euh, mieux développer notre pays. C'est une initiative forte, belle, les retours d'expérience que j'ai entendus ce matin sont tout simplement démonstratifs. Euh, c'est une initiative que, qu'il faut appuyer. Et Bonani Bruxelles sera aux côtés d'une telle initiative. Les chefs d'établissement et directeurs d'école satisfaits des résultats obtenus s'engagent à travailler pour la pérennisation du projet et de son expansion. On a pu euh, bénéficier de cette expertise et qui nous permet d'avoir des récoltes, qui nous permet également à chaque fois de... de... Même moi, je me suis mise vous voyez, donc euh, d'avoir euh, véritablement un savoir-faire concernant l'agriculture. Nous avons vraiment besoin que ces initiatives soient généralisées dans l'ensemble des établissements scolaires au Sénégal, que ce soit au niveau de l'école maternelle, au niveau euh, de l'enseignement élémentaire, primaire, du secondaire et même dans les, les universités. Et je pense que B4 Peace peut effectivement compter sur euh, l'engagement de tous les partenaires au développement. Biodiversité dans les écoles du Sénégal est un projet qui s'adosse aux nouvelles orientations du ministère de l'Éducation nationale, notamment celle consistant à promouvoir l'éducation environnementale et à développer la culture des espaces verts dans les écoles. Un parcours au fil de l'eau, c'est le titre de l'ouvrage présenté au public par Fadel Djao. L'auteur ingénieur hydraulicien retrace quatre décennies d'une vie consacrée à la plus précieuse ressource sur cette terre. La cérémonie de dédicace a eu lieu en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que de parents et amis au Madiawa. Ce ne sont pas tous les livres qui attirent autant de monde, d'anciens collaborateurs, des amis, des alliés, des parents, d'anonymes passionnés des belles lettres. Ils étaient nombreux à assister à la cérémonie de dédicace d'un ouvrage pour lequel l'éditeur n'a pas hésité un seul instant. Connaissant l'utilité du travail de la mémoire, j'ai tout de suite dit que ce travail, nous allons le faire et nous allons le faire avec un immense plaisir. Séance tenante, j'ai fait faire le contrat, on a établi le devis de publication et M. Ndao a sorti le chéquier. Sans doute le contrat le plus rapide de l'histoire de cette maison d'édition. Le livre aborde les grandes problématiques de l'eau, mais il dévoile aussi quelques facettes de la vie de celui qui l'a fait naître. Si c'était que l'eau dans toute sa technicité, euh, il n'aurait pas été aussi agréable à lire. Nous connaissons aussi mieux cet étudiant sénégalais qui, comme d'autres, vous, avez, vous avez formé une belle famille en Europe pour vos études. Vous êtes rentré au Sénégal et avez formé la crème du, secteur de l'eau à un moment donné. Et cette séquence de notre histoire est une séquence brillante qu'il faut préserver et garder, qu'il faut partager. L'eau unit, mais l'eau divise aussi. Fadel Daou est convaincu que c'est un facteur de paix à l'image de ce qui se passe avec l'OMVS en matière de gestion partagée. En écrivant ce livre, je vous ai invité à plonger dans les pages de ma vie. Un récit qui coule comme l'eau, source de toute existence. Un parcours au fil de l'eau n'est pas seulement mon histoire, c'est le miroir d'une ressource qui nous unit tous. L'eau doit être protégée, maîtrisée, stockée avec sagesse, traitée, évacuée avec soin. Mieux, réutilisés en toute sécurité pour assurer le bien-être, la santé et l'autosuffisance alimentaire des populations. L'auteur, formé comme ingénieur hydraulicien à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, a eu une longue carrière qui dépasse le Sénégal. Des expériences en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Maroc, en Afrique du Sud et en Égypte. C'est un expert que l'eau inspire. Dans les veines de la terre, lentement tu coules. Pendant que le Nil, en son delta pollué, s'essouffle et que la est souillée se languit de sa mort, tu nous rappelles que tu es plus précieux que l'or. Pendant la campagne électorale, je disais souvent que pour moi, l'eau est plus importante que le pétrole. J'y crois fortement. Le pétrole, au bout d'un moment d'exploitation, il sera terminé. Si on ne l'a pas utilisé à transformer les, secteurs économiques et sociaux, on a des problèmes. Beaucoup de pays l'ont vécu jeune retraité de la Banque mondiale, Fadel Ndaou, va certainement éviter l'étiage et le tarissement intellectuel. Il continuera donc de se consacrer à l'écriture. Son vœu le plus cher reste la sauvegarde du système hydraulique de la Falémé qui se meurt et qui affecte l'écoulement du fleuve Sénégal. Sport football pour terminer Euro 2024. La nationale Mannschaft se qualifie en quart de finale en s'imposant 2 à 0 face au Danemark. Début marqué à la 53e et 68e minute. Les Allemands, comme à leur habitude, ont fait preuve de beaucoup de réalisme. Retour sur les temps forts avec Fatmata Sabane. Les Allemands se qualifient en quart de finale de leur Euro. La nationale qui se sort d'un match difficile face à des Danois déterminés. Pensant ouvrir le score, Joachim Andersen, le Danois, verra son but annulé par la VAR. À la 35e minute, l'arbitre suspend le match pour cause d'orage, des conditions climatiques pas favorables au jeu. 20 minutes plus tard, le match redémarre. Sur une action, le centre de David Room est dévié par une main d'Anderson. Kai Havertz marque le premier but allemand sur penalty. Ils ne laisse aucune homme du match compte bien poursuivre leur chemin vers la victoire finale. L'Angleterre également se qualifie en quart de finale. Les Rains se sont imposés 2 à 1 face à la Slovaquie au terme d'un match à suspense. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Fin de celle-ci, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure aux environs de 23 heures pour la dernière édition du soir. À tout à l'heure.